forum du forum le forum du studio le forum du studio forum le forum du le forum du forum du messieurs, dames, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Merci d'être à l'écoute du studio Kalangu et bienvenue à ce nouveau numéro du forum. Le forum du studio Kalangou reçoit des spécialistes, euh, des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. La gratuité des soins des enfants dans les centres de santé, c'est la thématique du forum de ce soir. Qu'est-ce qu'on entend par gratuité des soins de santé Depuis quand cette nouvelle politique dite de gratuité est instaurée dans les services sanitaires quelles sont les couches euh, qui bénéficient de cette euh, gratuité Quel est l'objectif recherché à travers cette nouvelle politique sanitaire Comment se fait la mise en œuvre de cette gratuité Qu'en est-il de l'effectivité de cette gratuité des soins dans les centres de santé C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous tenterons de trouver des réponses. Pour cela, nous avons dans ce studio Monsieur Kane, secrétaire général du syndicat unique de la santé et de l'action sociale à SUSAS, bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous avons également Dr Seydou Abdelbaka, médecin-chef au Centre de santé intégré de Goudel. Il représente également le SINFAMED, le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens et dentistes du Niger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu et nous avons également invité le ministère de la Santé publique, mais notre invitation est restée sans suite. Bonsoir à tous. Veuillez, euh, chers invités, nous présenter sommairement vos structures respectives et vos fonctions dans ces structures. Je commence par vous, Monsieur Ibro Kani. Moi, c'est Ibro Kani. Je suis secrétaire général du BEN SUSAS, syndicat unique de la santé et de l'action sociale. Et donc, euh, docteur Donc, euh, moi, je me nomme docteur Souda Abdelbak. Je suis le responsable du centre de santé Goudel et je suis aussi membre euh, du BEN famère Donc euh, le le famère c'est le syndicat des médecins pharmaciens, chirurgiens dentistes. La gratuité des soins, c'est de cela qu'on discutera ce soir. Euh, docteur, je reviens vers vous. La gratuité des soins, on entend tous parler de cette pratique, mais exactement de quoi il s'agit Je remercie beaucoup le studio Klangou de nous avoir donné cette occasion pour nous exprimer, en tout cas par rapport à un sujet aussi important euh, pour nous en tant qu'acteurs de la santé et aussi acteurs de la société civile euh, qui milite dans le secteur de la santé. Donc, comme vous venez de le dire, euh, la gratuité des soins, c'est un concept qui a été créé depuis, je crois bien, 2006, si je ne me trompe pas. Et ce concept consiste à, à fournir, n'est-ce pas, des prestations de soins à une population cible, sans pour autant que cette population-là participe financièrement, n'est-ce pas, à la prise en charge euh, du cas de maladie qu'il présente. Hmm. Donc euh, là, euh, pour, la, pour les cibles, vous avez euh, comment ce qu'on appelle un certain nombre de, de catégories de personnes et de maladies qui ont été ciblées pour euh, effectivement bénéficier, de, cette, euh, euh, gratuité de soins mhm. dont on parle. Mhm. Merci à vous. Monsieur Ibrokane, cette gratuité, comment vous la définissez-vous Comme l'a dit Docteur Rebab, c'est que c'est une pratique où le concept a été créé, comme il l'a dit en 2006, mais le décret date de 2005. Euh, c'est le décret 316 euh, du 11 novembre 2005 qui accorde euh, premièrement cette gratuité. Et vous savez, les raisons qui ont conduit à ça, c'est qu'il y avait les faiblesses des indicateurs de santé qui continuent, surtout la santé maternelle et infanto-juvénile. Alors, pour pallier à ça, compte tenu des moyens de notre population très limités, des ressources limitées, mm. alors il a été dit qu'avec la gratuité, ça allait marcher. Et il faut reconnaître que cela a été facilité par le remboursement de certaines dettes qui, euh, au niveau des PPTE, on dit que ces e, ressources-là, c'est euh, les pays pauvres très endettés. Mm. Donc, au lieu de, leur, de rembourser les dettes de l'autre côté au niveau des bailleurs de fonds, on dit non, il faut une sorte de reconversion, il faut les mettre à la disposition des, populations vulnérables pour qu'on puisse, au moins au niveau de l'accès des soins, relever un peu le défi de ces indicateurs-là. Mhm, mhm. C'est ce qui fait que ces prestations ont été gratuites, parce que si vous si vous, vous souvenez, au début c'était gratuit, mais avec l'initiative de Bamako, c'est devenu payant. Et maintenant, comme on a vu que les indicateurs, compte tenu du paiement créé, ça crée aussi la baisse des indicateurs ou la faiblesse des indicateurs, il faut nécessairement, et compte tenu aussi des moyens limités, on a pris ces groupes cibles-là, les, femmes enceintes, les, enfants de 0 à 5 ans, tout, ça là, on a pris pour qu'on puisse au moins relever ces indicateurs. Oui, donc pour en déduire, euh, au tout début c'était de cette initiative, c'est pour euh, venir en aide aux personnes vulnérables. Oui, c'est pour effectivement l'accès des populations vulnérables aux soins de santé et créer une certaine équité pour la classe pauvre. Et, il faut faire aussi la promotion de la qualité parce que plus on dit à un pauvre de payer, mais plus il n'a pas les moyens quand même un diminu de payer. Et il y a une certaine nécessité aussi, vous savez, de protéger au moins euh, celui qui est un peu plus pauvre. Ça, ça relève vraiment des, responsabilités euh, de l'État. Et cette euh, gratuité de soins, elle est appliquée dans les centres de santé en ville ou bien en campagne Bon, partout on pratique la mhm. gratuité. Hein. Vous savez, au début de la gratuité, vraiment il y avait ces fonds, comme vous avez dit, le remboursement des, des PTT qui est de l'autre côté. Et il faudrait savoir qu'au début, vous ne payez rien. Intégralement, vous, avez, vous êtes pris en charge. Mais chemin faisant, faut le reconnaître, euh, il y a eu quand même euh, des ruptures en fait de ces remboursements-là. Euh, parce que nous, on était prestateurs, même les produits de spécialité que nous prescrivons aux malades, en tout cas là où j'avais quitté, c'était à Dosso, les, les, les produits de qualité, hein, c'est des spécialités. Et à l'époque, le gestionnaire, comme c'est un début, il prenait, il payait dans les pharmacies. Mais chemin faisant, on ne pouvait plus faire ça, puisque les remboursements faisaient défaut ou venaient en retard, au point où euh, on a l'impression que en ville, on ne le faisait pas. Non, que ça soit en ville, que ça soit en campagne, on fait la gratuité. Mais vous savez, s'il y a les moyens limités, c'est qu'on ne voit pas le côté, par exemple, prestation. Aujourd'hui, si vous amenez la césarienne, l'acte va être gratuit. Les produits qu'on a, on va les utiliser. Mais de l'autre côté, c'est que quand souvent il n'y a pas les produits, c'est ce qui fait que vous voyez certaines ordonnances. Mais maintenant, on a vu à, Gazobit, tout, presque tout est gratuit. Hein. Tout est gratuit. Je reviens vers vous, docteur euh, Cette gratuité de soins, euh, on parle de personnes vulnérables. Quelles sont, euh, quelle est la tranche d'âge qui bénéficient de cette euh, gratuité. Donc, euh, je ne sais pas, avant de venir euh, au aux, d'âge, là, je pense bien que c'est comme euh, docteur Ibro vient de, le dire, je pense bien qu'il faut partir même de d'où on a quitté, pourquoi on a quitté, et là où, est-ce qu'on va, et aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Et comme il a dit, l'initiative de Bamako, c'est lui qui a c'est elle qui a amené euh, ce, concept-là, donc euh, la gratuité des soins, donc euh, dans les années 87. Donc, parce que avant, au niveau de nos prestations, au niveau des formations sanitaires, la prestation, elle est gratuite pour tout le monde. Donc, on a quitté cette, cette approche de gratuité pour tout le monde pour arriver à un mode payant. Parce que les États n'arrivaient plus euh, à prendre euh, en charge les structures sanitaires. Donc, euh, face à, cette faiblesse du pouvoir économique des pays, donc les États se sont concertés pour adopter une nouvelle approche qui est l'initiative de Bamako. L'initiative de Bamako, c'est une comment ce qu'on appelle, c'est une grande conférence qui s'est tenue à Bamako où tous les États membres, n'est-ce pas, ont ratifié n'est-ce pas, à adopter cette, euh, cette approche-là dans leurs pays respectifs. Donc cette initiative de Bamako voudrait à ce que eh, qu'il y ait une participation communautaire beaucoup plus active et qu'il y ait aussi une autonomie de gestion au niveau de ces formations sanitaires et qu'il y ait aussi, eh, si vous voulez, plus de transparence dans la gestion pour euh, pour avoir euh, un bon rendement, mhm. pour avoir euh, une bonne prise en charge des, des, des, patients. Donc ça a été fait. Nous, nous étions rentrés dans cette approche. Donc, comme Ibro vient de le, de le, souligner, il y a des décrets qui ont été pris dans ce sens. Il y a jusqu'à deux décrets et trois arrêtés qui ont été pris, n'est-ce pas Et on a fait. Et on a après, on a compris que vraiment, c'est une approche qui est très efficace parce que depuis qu'on a commencé à adopter cette approche-là, au niveau de la, au niveau de la prise en charge, c'est-à-dire surtout le ravitaillement en, médicaments, les structures de santé n'avaient pas de problème. Donc, euh, jusqu'à ce qu'on est arrivé en 2006, où l'État a vu que dans certains, dans certains, et au niveau de certains indicateurs clés de la santé, notamment et la santé des enfants et des, et des, et des mères, euh, ils ont compris qu'en réalité, ces indicateurs-là traînent toujours euh, en bas. Donc l'État n'a pas les moyens pour cette couche vulnérable, n'est-ce pas, d'assurer leur, euh, comment est-ce qu'on appelle, ils savent que les, ménages n'ont pas la capacité de prendre en charge ces, cette couche vulnérable. Et c'est pour ça que l'État s'est substitué en tiers payant pour ces personnes, pour ces personnes-là. Et ces personnes-là, c'est l'État, en, cas de, en cas de prise en charge, c'est l'État qui doit rembourser euh, les, frais. de leurs prestations, des, prestations qui leur, ont été fournies. C'est dans ce sens-là que, eh, comment comment ce qu'on appelle, euh, en tout cas, tout, euh, tout eh, l'arsenal juridique que l'État a pris, n'est-ce pas, et comment ce qu'on appelle pour encadrer la gestion. Donc, euh, et c'est ça qui, c'est ça qui nous a amené à, prendre surtout la population des 0,5 ans, comme il l'a dit, les, les, femmes enceintes. Et vous avez aussi euh, la planification familiale pour les femmes, l'espacement des naissances. Mm. Et vous avez aussi la CPN. La CPN, c'est la, consultation prénatale. C'est-à-dire une femme qui contracte une grossesse, donc l'État voudra, a, voulu à ce que de la, de la première consultation jusqu'à la dernière, jusqu'à l'accouchement, n'est-ce pas, que ça soit gratuit, que ça ne soit pas un frein, n'est-ce pas, à la femme pour ne pas, pour ne pas venir à la formation sanitaire alors que eh, elle pouvait développer des pathologies qui pouvaient vraiment eh, la tuer. En dehors de ça, vous avez aussi les cancers. Tout ça, là, c'est la gamme qui rentre dans, eh, comment ce qu'on appelle, dans la tranche de cette gratuité que je suis en train de vous dire. Donc vous avez aussi les, les cancers. Et à, l'époque, l'État a construit, si vous voulez, le, centre de radiothérapie qui, qui, est là actuellement à côté de la maternité Gazobi. Donc vraiment, cette gratuité aujourd'hui, je pense bien qu'on va en arriver. Euh, sur l'effectivité de, Ok. Donc, si on comprend, à la date d'aujourd'hui, les enfants de 0 à 5 ans et les femmes, euh, eux qui bénéficient de cette euh, gratuité. C'est eux, qui bénéficient de cette gratuité. Il y a le facteur aussi social. il, y a, mhm. les personnes qui sont démunies. Il y a les services sociaux le service social aussi fait partie de la gratuité. Oui, oui. Et là, c'est surtout dans les formations sanitaires, surtout dans les, dans les hôpitaux que vous avez ces, comment ce qu'on appelle ces services-là. Mais dans certains districts aussi, vous avez ces, services où eh, une personne qui est démunie, qui n'a pas assez de moyens pour euh, sa prise en charge, donc euh, c'est le service social qui le prend en charge n'est-ce pas, à travers l'État et aussi d'autres partenaires qui mhm. soutiennent l'État. Merci à vous, M. Euh, Monsieur Oui, je voudrais, au niveau de... Avant d'aller à la situation sociale, Rappelez qu'il y a cinq cibles au niveau de la gratuité. C'est la césarienne, qui est euh, en fait euh, cadrée juridiquement par le décret 316-2005. C'est les contraceptifs. C'est les consultations prénatales. Si la femme est enceinte, il faut nécessairement y venir et ces, euh, ces consultations prénatales-là, c'est gratuit on dépiste le cancer et on prend en charge le cancer du col féminin ou du sein, euh, de l'utérus, euh, du sein et de l'utérus, du col de l'utérus, mm. gratuitement. Parce que euh, ça, c'est les quatre aspects concernant la femme. Mais chez les enfants de 0 à 5 ans, eux, leur prise en charge est intégrale en réalité, intégrale dans toutes les structures sanitaires. Mm. Maintenant, du côté social dont on parle, vous savez, au niveau de la santé, ça c'est même lorsqu'il y a, euh, comment on appelle, euh, euh, l'initiative de Bamako, quand vous prenez le côté social, ça c'est le système d'indigénat. C'est vrai, nos communes n'ont pas assez de moyens, ce qui fait qu'il faut jongler avec le service social euh, euh, au niveau des structures, surtout les CHR, les hôpitaux qui ont des services sociaux, euh, vraiment les, les, sociaux font ce travail. Dès que vous avez un malade qui est cas social déclaré, mhm. elles font leur enquête. souvent, le service n'en a même pas. Elles se débrouillent à faire avoir des, des, gens qui ont les moyens pour pouvoir régler le problème des soins à mhm. ces agents-là. Mais c'est le système d'indigénat parce que normalement, il y a une fiche qui dit que un tel est indigène, il n'a pas les moyens de se traiter, donc le service social a mhm. l'obligation de, le prendre, en charge, dans tout service qu'il part. Mhm. Merci à vous. Et donc, euh, pour en savoir plus euh, sur cette gratuité de soins, je vous propose euh, d'écouter Monsieur Maman Cheibou, il est le point focal de la gratuité des soins de la région de Maradi. Il est au micro de notre correspondant Mohamed Maman. Il est important de rappeler que la gratuité des soins concerne cinq prestations essentielles. La première prestation, c'est la césarienne. La deuxième, c'est la consultation prénatale. La troisième, c'est la, euh, contraception, y compris les produits contraceptifs et les préservatifs. La quatrième, c'est le soin aux enfants 0-5 ans. Et enfin, la cinquième prestation gratuite, c'est le cancer gynécologique. Donc toutes ces prestations-là, l'État a pris des dispositions pour que leur prise en charge soit à zéro franc. En tout cas, au niveau des structures. Là, c'est vrai, là, il est important de préciser que c'est des prestations qui doivent être offertes gratuitement. Et après, on fait la facture pour que l'État rembourse. Mais il s'est trouvé que euh, vraiment, euh, suite à cette supervision-là, on a constaté un certain nombre de faiblesses liées au mauvais comportement de certains de nos agents. Je vais vous donner des exemples qu'on a notifiés, en tout cas avec regret, ici, dans deux formations sanitaires de la ville de Maradi. En ce qui concerne la consultation prénatale, dans une structure sanitaire de la place, on nous a fait comprendre quand une femme vient pour la première fois, elle est tenue de donner 1000 francs. Et 1000 francs, là, vous savez, c'est pourquoi C'est un laborantin d'un privé qui vient faire le prélèvement. Donc, vous conviendrez avec moi, c'est en complicité avec les responsables de la structure. Le deuxième cas, la consultation pendant quand tu viens pour la première consultation, tu payes 2400 francs. Et ce qui est flagrant, c'est un agent de santé d'une salle de soins privés qui vient collecter les prélèvements. Et c'est une laborantine du CHR de maladie qui vient prendre les prélèvements, elle part au CHR faire les examens et elle ramène. Donc vous voyez, c'est toute une chaîne de, de, de vous... Parce qu'elle, laborantine du CHR, elle va certainement prendre sa part. Elle remet à l'infirmier qui a fait le prélèvement, euh, en tout cas, et son gâteau, et le reste, ça part maintenant au niveau de la structure. Mieux encore, quand on a euh, interviewé quelques femmes des enfants cibles 0-5 ans, elles ont reconnu avoir que même, si on fait euh, le traitement gratuit, l'infirmière ou l'agent de santé qui est là exige à la pauvre dame là Chers invités, vous venez d'entendre M. Maman Chebou, le point focal de la gratuité des soins de la région de Maradi. À l'entendre, euh, cette gratuité n'est pas à 100% effective puisque certains patients euh, sont obligés de payer 1000 francs comme ils viennent de le notifier. Donc, euh, docteur Abdelbak, quel commentaire <laughs> Donc, donc j'ai écouté avec intérêt l'interview. Donc, et lui, de ce qu'il vient de dire, il a entièrement euh, endossé la responsabilité aux, acteurs, mhm. aux agents de santé. Donc, euh, et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que, vous savez, la consultation prénatale, et quand l'arrêté a été pris, donc euh, l'arrêté prend en charge seulement la consultation, le faire et la sulfadoxine pyrimétamine. Or, la consultation prénatale est accompagnée d'un certain nombre d'examens. Alors, si ces examens-là doivent être faits, normalement c'est dans la formation sanitaire qu'ils devront être faits. Et dans la formation sanitaire, il devrait y avoir une structure d'accueil pour, ces, pour, pour faire ces examens-là. Donc, un centre de santé qui n'a pas de, de, de, de structure pour effectuer cette partie de la prise en charge, vous conviendrez avec moi que le responsable du, centre, il est obligé de se débrouiller pour satisfaire ses clients. Hmm. Si aujourd'hui on demande, si chaque, si le responsable de, la consultation prénatale donc décide à ce que toutes les femmes qui viennent faire la consultation, après la consultation, il a besoin des examens, elle a besoin des examens, elle, leur dit d'aller faire les examens euh, en ville, hmm. revenir c'est-à-dire ça va même être euh, un motif d'abandon, n'est-ce pas, ou bien euh, un frein, n'est-ce pas, pour la fréquentation de cette euh, consultation prénatale. Donc l'agent, il il, se trouve les moyens pour comment ce qu'on a, parce que lui, ce qu'il a en tête, c'est ces indicateurs. Il ne faut pas que le taux de la, consultation prénatale baisse. Parce que si ça baisse, c'est lui qu'on voit. On va dire que bon, il est parce qu'elle mm-hmm. n'est pas accueillante Actuellement, nous, moi, la, structure dans laquelle je, suis, le cas qui vient de, il de, de soulever là, moi, je l'ai trouvé euh, dans ma formation sanitaire depuis 2012, je crois bien, parce que la structure n'avait pas de laboratoire pour faire les examens. Donc, euh, quand j'étais venu, effectivement, j'ai trouvé un, un laborantin privé qui venait de temps en temps faire les prélèvements aux femmes pour, euh, pour amener dans, son laboratoire, faire mm-hmm. l'examen et puis et comment ce qu'on appelle euh, amener les résultats. moi, quand j'étais venu, j'ai dit ça, c'est pas normal. On ne peut pas accepter euh, à ce que un privé vienne exercer mm. son métier dans un service public. Donc, euh, ça a causé des problèmes. On a tiraillé, on a tiraillé, mais en fin de compte, nous avons eu raison parce qu'on a eu à arrêter, n'est-ce pas, le contrat de ce métier-là. Oui, mais comment vous Donc, nous, nous c'est parce qu'on est en ville. On a on a institué eh, un système d'approvisionnement, n'est-ce pas, en bandelette qu'on fait. C'est des examens directs qu'on fait. C'est-à-dire que ce n'est pas, aussi eh, spécifique, c'est pas aussi. Eh, comment comment ce qu'on appelle ce n'a pas aussi de qualité que l'examen de laboratoire direct. Mais quand même, on se débrouille avec ça en attendant qu'on ait le laboratoire, euh, déjà on a commencé à nous construire le laboratoire, donc ça reste seulement l'équipement. Oui, mais comment vous expliquez euh, la question qu'il vient de soulever, le prélèvement de 1000 francs euh, Oui, le prélèvement, sur, chaque patient le prélèvement de 1000 francs, c'est quoi c'est l'examen là qu'on devait faire à la patiente. Donc, donc c'est bien normal de prendre. Normal, Pourtant, la population ne comprend pas quand on lui dit gratuité des soins. La population ne peut pas comprendre parce que pour la population, même même, même pour les acteurs, hein, même pour certains acteurs, ils pensent que l'examen de laboratoire là est gratuit. Alors que dans l'arrêté là, pas, il n'est pas dit que l'examen de laboratoire est gratuit. Consultation prénatale, le fer et la sulfadoxine pyrimétamine qui sont, gratuits. Mhm. Donc, euh, Monsieur Ibro, c'est oui. qui est limitée, mais malheureusement les gens <laughs> ne comprennent Merci pas. Merci à vous, Monsieur Ibro, vous venez, euh, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, Monsieur Momon, le point focal de la gratuité des soins de la région de Maradi. Euh, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces propos J'ai écouté avec intérêt. En fait, il y a une problématique autour de cette question. Et je vous ai dit, lui, il a parlé d'examen. Mais je vous donne un exemple. Vous partez dans un CHR, on fait un examen, on on vous demande l'examen que le laboratoire ne fait pas, vous allez faire quoi Vous serez obligé de vous battre au ah, pour le faire. Et là-bas, vous allez payer. Mhm. Voilà le problème. Maintenant, moi, lorsqu'il a évoqué faiblesse, ce n'est pas là la faiblesse de la gratuité. Non. C'est la faiblesse de la gratuité réside essentiellement dans le remboursement. C'est le remboursement qu'il n'y a pas. Il faut le dire. En fait, si le remboursement était effectif comme auparavant, il n'y avait pas eu ces débuts dont il avait évoqué. Oui, difficultés. Or, si le remboursement tarde, le laboratoire va manquer de certains réactifs qui éviterait mhm. éviteraient à ce que, ce que dit le docteur, qu'on fasse recours à un privé. Vous-même comprenez dans la gratuité quand on dit un domaine, la césarienne est prise gratuitement. Il n'y a pas de raison que vous payez quelque chose. Mais quand il n'y a pas, le service n'a pas, c'est une nécessité, il faut nécessairement qu'il y ait quelque part pour un examen, on doit le faire. Parce que lui, le prestataire, le clinicien ne peut faire euh, euh, vous dire vous souffrez de telle chose, il veut une confirmation à travers cet examen. Je vous donne un exemple. On prend mobiliser le montant mobilisé pour les, produits, si vous voulez. On prend une région au hasard. DIFA, par exemple, on doit recouvrer pour l'année 2017 qui reste à recouvrer 292 millions, environ 293 millions. Mais quand vous prenez la région de Maradi, c'est environ 1 milliard qui reste à recouvrer, recouvrir, pour 2017. Quand vous prenez Tirabéry, c'est 440 millions qui restent à, à recouvrer. Zender, 341 millions qui restent à recouvrer. C'est énorme. C'est énorme. Et toutes ces structures-là ont besoin de cet argent pour pouvoir fonctionner. Et aujourd'hui, le remboursement s'est fait comment Le plus souvent, si les chiffres-là, pour moi, lorsque j'ai vu dans la, réunion que nous avions faite du 15 au 18, au palais du Congrès, ce que j'ai vu même, qu'il y a une avancée. Et cette avancée est due à quoi C'est qu'il y a un certain nombre, euh, si vous voulez, de, de reconversions qu'on fait des produits qu'on amène qui rentre dans la gratuité. Or, auparavant, si vous, si vous faites vos factures à, à, 10 millions, les factures, on doit vous rembourser, vous rembourser 10 millions. Mais ça tarde. C'est là la complexité. Les autres côtés, qu'il y ait gratuité ou pas, il y aura toujours des problèmes d'éthique et de déontologie sur lesquels nous sommes d'ailleurs. Mm. Et si nous disons qu'il faut rembourser, c'est parce que ça nous facilite la sensibilisation de, de nos militants sur le respect de l'éthique et de la déontologie. S'il y en a et que vous le faites, mais nous, nous, allons vous dire, voilà ce, que vous ce qui vous attend. Mais dès lors qu'il n'y a pas et que vous êtes obligé de faire recours à un autre service autre que le service public, cela veut dire que la chaîne peut être à un moment ou à un autre troublée. Oui, vous pouvez continuer. <laughs> Donc, euh, je pense bien que ce que eh, Ibro vient de dire là, c'est vraiment édifiant. Et, mais moi, c'est surtout euh, et comment est-ce qu'on l'explication que les gens se donnent euh, dans la dans le remboursement n'est-ce pas de, de la gratuité moi j'ai moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce, cette logique là qui disait que euh, les produits que l'État donne les gens font une compensation et on déduit n'est-ce pas pour déterminer la facture réelle qu'on devait payer à la structure or normalement quand on dit gratuité là Gratuité, c'est pour euh, le, bénéficiaire que c'est gratuit. Mais quelque part, quelqu'un est en train de payer. Et c'est quand, l'État a pris les arrêtés là, l'État s'est constitué en tiers, en tiers, euh, comment ce qu'on a, tiers pour payer ces, frais, ces frais là. Donc, c'est vrai pour le patient, c'est gratuit. Mais ça ne devait pas être gratuit pour l'État. Et l'État ne devait pas faire une compensation des produits qu'il donnait pour déduire de la facture de la gratuité. Mhm. Non. La gratuité, elle a été de façon effective, de façon réelle au niveau de la formation sanitaire. C'est que l'État doit donner comme subvention, n'est-ce pas Comme subvention à la structure, ça doit rester tel. Maintenant, en prenant prenons par exemple 10 enfants qui viennent, 10 enfants de 0,5 ans qui viennent faire une consultation au niveau d'une formation sanitaire, qui, et à, la fin de, de, leur prise en charge, on a estimé par exemple 100 000. Donc ces 100 000-là, c'est ça que l'État doit rembourser à la structure. N'est-ce pas Et c'est ça qui constitue la gratuité. Maintenant, l'État dit que non, non, puisque à la fin de chaque mois, vous faites les bons de commande pour venir vous ravitailler au niveau des, des, pharmacies de, vos districts, n'est-ce pas Les produits que vous prenez là, vous, on déduit ça dans les 100 000 là, et c'est ça qui va constituer, ce qui reste là, c'est ça qui va constituer la facture restante. Or, ce que l'État donne là, c'est ça la subvention de l'État, et c'est ça qui permet que la structure reste étatique. Sinon, c'est une structure privée. Oui, euh, justement. Ce n'est plus une structure publique. Justement, pouvez-vous nous expliquer euh, concrètement la mise en œuvre de cette euh, pratique, le processus, comment ça se fait dans les centres de santé <coughs> Comment se fait le processus de, de, la gratuité. Donc la gratuité, on a dit tout de, tout de suite, on a donné les groupes cibles. On a dit les enfants de 0,5 ans, les femmes enceintes, les femmes qui doivent suivre une, césarienne ou bien les femmes qui, qui souffrent euh, d'un cancer gynécologique. Mhm. Donc quand la personne vient en consultation, si on regarde d'abord l'âge, pour les enfants par exemple, on regarde l'âge, si l'enfant l'âge de l'enfant est compris entre 0 et 5 ans, on dit que c'est la gratuité. Maintenant, dans cette gratuité, il y a plusieurs euh, formes de frais. Quand c'est un, euh, une consultation ambulatoire, c'est-à-dire on vient, on te consulte, à l'épisode maladie, tu, souffres par exemple du rhume, mhm. euh, l'agent pense que ta prise en charge ne nécessite pas qu'on te, mette en observation. Il te consulte, il te fait, il, liste les produits qui doivent être traités Et il te donne, il dit, vas-y prendre à la maison. Mhm. Ça, c'est ambulatoire. Donc ça, c'est c'est à 500 francs. Si l'enfant n'a pas de carnet, c'est à 600 francs en facture. Mais s'il a le carnet en facture, c'est à 500 francs. Donc tu vas. Maintenant, si c'est une maladie, un épisode qui nécessite à une observation, donc on va te garder, on va te mettre des sérums, tout, Tous les produits qu'on va te mettre là, c'est gratuit, ne paye rien. Donc c'est la structure qui prend dans sa pharmacie on te, met, on te traite tout, ce, qui, tout ce dont ta maladie a besoin pour te traiter, on met ça gratuitement. Mm-hmm. Maintenant, le frais, la, facture, à la fin du mois, le nombre de, patients qu'on a eu qui répondent à cette, à cette euh, forme-là, mhm. on fait euh, le total de la somme qu'on qu'on a recouvrée théoriquement, puisqu'on n'a pas ça l'argent euh, en l'argent en espèces. Donc c'est juste les, papiers quoi. Donc on met et on transmet au niveau des, des, districts. Les districts, ils compilent et ils transmettent aussi au niveau de la région. La région compile aussi, ils transmettent au niveau du ministère de la Santé. Maintenant, c'est au niveau du ministère de la Santé qui doit procéder au règlement n'est-ce pas, de ces factures-là. Donc, mhm. ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils doivent verser l'argent dans le compte de la DRSP. La DRSP dispatch pour chaque district. Chaque district donne aussi pour chaque CSI. C'est comme mhm. ça on rembourse. Et ça permet de comment ce qu'on appelle euh, de maintenir le système d'approvisionnement en médicaments parce que mhm. c'est avec ça que partez vous achetez les médicaments avec lesquels on soigne les, les, les, patients. Mhm. Maintenant le problème qu'il y a, comme cette euh, gratuité là n'est pas n'est pas payée de façon euh, régulière, la personne qui doit payer, qui est dans la tranche, la tranche payante, c'est cette personne là qui prend en charge. Non seulement elle, se prend en charge, elle prend en charge aussi et la personne qui est dans la tranche gratuité. Parce que c'est avec son argent que les structures partent faire eh, l'approvisionnement en médicaments. Donc, oh, quand l'enfant qui est dans la tranche euh, de, gratuité, là, quand eh, l'enfant vient, on ne peut pas dire à l'enfant qu'on n'a pas payé pour vous, parce qu'il y a les produits. Donc, on, on prend les produits avec l'argent avec lequel on a payé les produits là pour euh, ce que le, le payant l'a payé donc et on, on, on, le traite mais malheureusement les, les factures là ne viennent pas et le système continue dans, ce, cette logique-là. Et ça, apporte vraiment un coût pour le, fonctionnement, des centres. Et donc, euh, justement, cette effectivité euh, de cette mesure ici dans la ville, euh, selon vous, qu'en est-il de cette, précisément dans votre centre, qu'en est-il de l'effectivité de cette gratuité des soins Nous, actuellement, dans notre formation sanitaire, la, gratuité, elle elle est effectuée à 100% mais ça nous porte un coût. Si cette gratuité-là, on nous payait cette gratuité-là, c'est-à-dire le CSI pouvait initier d'autres choses. Par exemple, même le laboratoire dont je viens de payer, le CSI pouvait se construire le laboratoire. Le CSI pouvait construire des salles hospitalières. Le CSI pouvait vraiment, eh, comment est qu'on appelle, faire en sorte que le centre, le centre évolue en termes d'infrastructures d'accueil, en termes de, du, ce qu'on appelle du renforcement, n'est-ce pas, euh, de sa pharmacie et autres. Mais puisqu'elle n'est pas payée, on ne fait que, on ne fait que rentrer dans un cercle vicieux. on, essaie d'assurer le système d'approvisionnement en médicaments. Mhm. Or, quand l'initiative de Bamako a initié ça même, c'est pour que les formations sanitaires puissent se prendre, pour qu'ils puissent avoir une autonomie de gestion, pour que ces formations puissent, n'est-ce pas, se prendre en charge sur tous les plans, que ce soit sur le plan financement, sur le plan fonctionnement, n'est-ce pas c'est comme ça que ça a été. Malheureusement, ça, ça Merci à vous. Je reviens vers vous, monsieur Ebro. Euh, qu'est-ce que euh, vous pouvez dire euh, sur cette effectivité oh, oh, dans les centres de santé Vous savez, la, gratuité, la est effective. Mais comme je vous ai dit, l'insuffisance ou la faiblesse de la gratuité réside dans le remboursement des frais liés à cette gratuité. Parce que tant que les services, on ne les rembourse pas à temps, il y aura des insuffisances. Hmm. Je vous ai pris un exemple. Vous allez avoir un enfant qui est situé, l'âge situé entre 0 et 5 ans. Vous allez l'amener en consultation, il a son numéro que c'est gratuit Et il y a un reçu, hein. dans un centre de santé, on donne un reçu gratuit mhm. Il va chez vous en tant que clinicien, vous allez le consulter, vous allez lui faire une ordonnance. Il va venir, par exemple, au niveau de la pharmacie dont il relève lui. Mais la pharmacie va simplement donner les produits qui existent dans cette pharmacie. Or, le clinicien ne va pas dire qu'il va se limiter uniquement à ces produits-là, surtout si il y a des produits qu'il pense que c'est ces produits-là qui sont censés traiter son malade. Donc, il est important qu'on se comprenne. Alors, étant donné que ce n'est pas le service qui va donner l'argent, pour ça, ça fait en sorte que non seulement le, fait de ne pas rembourser ne permet pas au service d'être doté de ces produits, mais ça fait en sorte que si ça n'existe pas, le, patient sera obligé d'aller chercher, oui. pour celui. Mm-hmm. Et ce qu'il n'a pas eu ce produit, on va te dire ça, et y en a, ça, il y en a, vous prenez, mais et l'autre qui a pas. Mm, mm, mm. Ça revient à votre charge. C'est ça le problème où on pense que ce n'est pas gratuit. Mais sinon, si de façon globale, on prend, on dit que c'est pas gratuit, non. Il y a des, prestations où c'est difficile aux patients ou à ses proches du pays. Euh, est-ce que euh, spécifiquement il y a des actions que vous menez pour euh, vraiment remédier à tous ces problèmes que rencontrent les patients ah, mais écoute, euh, euh, c'est que nous, euh, de tout temps, hein, nous d'ailleurs, le remboursement de la gratuité fait partie des recommandations hein, chez nous. C'est des recommandations du Congrès. Et je vous dis même par rapport à la réunion du Conseil technique national de santé passée, ça fait l'objet d'une recommandation, le remboursement, parce que tout le monde est conscient, mhm. c'est ça qui fait l'insuffisance. Donc il faut nécessairement rembourser la gratuité, parce qu'au début, c'était qu'est-ce qui a facilité Lorsque l'État paye une partie, l'Agence française de développement paye une partie. Certains partenaires mm-hmm. payent mm-hmm. une mm-hmm. partie, mais il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, le remboursement n'est pas effectif. Quand le remboursement d'une gratuité n'est pas effectif, la gratuité ne sera pas effective. effective Parce qu'il y aura des insuffisances dans ce que ce qui va manquer dans ce que vous pouvez avoir comme gratuité. Merci. Oui, docteur Delvac. Quelque chose. Et moi, c'est moi, c'est ça que je, n'arrive pas à comprendre, la difficulté du remboursement de la gratuité. Quand on sait que dans la loi de finances 2006, dans le budget 2006, n'est-ce pas, l'État a inscrit 3 milliards pour, le, pour, le, pour la gratuité. Et l'État a fait des démarches pour avoir ces fonds-là. Et ce que vous venez de, dire là, l'Agence française de développement a contribué à hauteur de 1 milliard. L'État a fait des démarches et il y a des partenaires tels que l'UNICEF, tels que, euh, comment comment ce qu'on appelle euh, euh, Finiap, tels que, avant, dans le temps, c'était les HELP, les MSF, mm-hmm. tout ça. L'État a vu tous ces partenaires-là et ils ont contribué. Et ça a fait que, dans la, dans la gratuité, la prise en charge de la gratuité, les gens n'avaient pas du tout de problème. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, toutes ces structures-là, toutes ces, comment ce qu'on appelle, tous ces services-là existent, fonctionnent au Niger et qu'on dit que toujours il y a des problèmes. Euh, des problèmes. Je ne sais pas si c'est dans le recourant ou bien les gens n'arrivent pas à convaincre ses partenaires mm-hmm. vraiment. Donc euh, nous, au niveau de notre formation sanitaire, effectivement, euh, on, se, on se bat tous les, tous les jours pour que euh, cette gratuité-là euh, puisse être effective, puisque c'est une des, une des actions de l'État. Donc euh, nous sommes, nous, exerçons dans une structure étatique. Donc nous, nous devons nous, devons faire en sorte que qu'on ait quand même les moyens pour assurer cette gratuité. Chaque jour que Dieu fait, c'est ce qu'on essaie, n'est-ce pas, d'assurer. Mais il faut, il faut le dire aussi que c'est des choses que quand ça va sur le temps, vous risquerez, n'est-ce pas, d'épuiser vos voix et vous risquerez aussi d'avoir euh, beaucoup de difficultés dans sa mise en, dans sa mise en œuvre. Donc c'est pour cela que vous voyez, nous chez nous, dans toutes les réunions ou bien dans toutes les formations, euh, dans tous les ateliers, en recommandation, comme Ibro vient de le dire tout le temps, on fait des recommandations à l'endroit du ministère pour le remboursement de cette gratuité-là. Mhm. Et ça, tout le monde le sait. Et puis, bon, on essaie de le faire avec. Merci à vous, euh, Monsieur Ibro. Rapidement, pour finir, que faire pour, vraiment, pour que vraiment cette gratuité de soins soit effective dans tous les centres de santé ah, Ça, je ne passe pas par quatre chemins. pour que ça soit <laughs> effectif, il faut que le remboursement soit effectif. Mm. Dans tous les cas, chaque jour que Dieu fait, les prestateurs des soins, ils consultent. Ils continuent à consulter normalement, mais sur la base de toutes les gratuités ou des cas de gratuité, il y a des factures qu'on envoie à la cellule gratuité. Et il est censé, quand on envoie ces factures-là, qu'on fasse le remboursement à temps pour permettre à ces services de rouler. Bon, tant qu'il y a toujours des retards dans le paiement ou on ne paye même pas du tout, c'est qu'il va de soi que l'effectivité, on ne peut pas parler de ça, mais de façon prestationnelle l'effectivité. Mais ça donne un coup dur dans le fonctionnement des services parce que l'idéal est que quand vous venez, que ce soit les examens, les consultations, les produits, vous devrez trouver ça gratuitement. Merci à vous, docteur Dulbach. Votre dernier mot pour que vraiment euh, qu'il y ait une bonne effectivité de cette politique. <coughs> Donc, euh, mon dernier mot, c'est j'ai pris à ce que le ministère euh, nous écoute. J'aurais voulu voir le ministère euh, <laughs> ici sur place. Oui, malheureusement. Malheureusement. Donc, euh, j'espère qu'ils sont à l'écoute, ils nous entendent. Mhm. Donc, euh, et qu'ils essaient quand même de, de, trouver les moyens pour le remboursement de cette gratuité, comme je viens de le dire, ceux qui les ont précédés. Et en tout cas, ceux qui ont instauré cette gratuité, ils se sont trouvés les moyens pour assurer cette gratuité. Alors aujourd'hui, ceux qui sont en charge, ils ont aussi le devoir de cette continuité-là. Euh, pour, que, pour le, le bien-être de la population. Merci à vous. Et donc, euh, pour une bonne effectivité de la gratuité de soins, il faudrait nécessairement un remboursement des frais. Et c'est ici que se referme euh, le forum de ce soir. Merci, chers invités, d'être venus. Merci aussi à nos auditeurs et auditrices d'être restés à l'écoute. Nous étions avec euh, Dr euh, Seydou Abdulbak, médecin-chef au Centre de santé intégré de Goudel. Il représente également le Symphamed. Nous étions également avec euh, Monsieur Ibro Kane, secrétaire général du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSASA. À la présentation, le fils Adam Sifo. Rendez-vous demain à la même heure pour une autre thématique. revoir.